li ñu constaté moy que amul kenn ko xamné ne na baramam pour mën trouver une solution ne serait-ce que proposer une solution à notre problème dañu tok xey rek ñu indil ñu militaire pour xoxatal ñu nangu suñu suuf té loolu duñu ko nangu légui nak xoxatal bi dafa jeex xoxatal bi dafa jeex li ñu xam ci armée muy armée nation li ñu xam ci armée mooy que dañu am respect ci population dañu am respect dans toute la sous-région dañu am respect à travers le monde mënuñu comprendre ñaari nit am conflit armée di ci dugal boppam pour pour di faral kenn ki bo fekkee ñaari nit ñuy xeex bul tee bul seetaan kenn ki di mbéj moromam da ngay téye loxo ki nga xam ne moom mooy mbéj pour arrêter. ba netuñ ci dara lépp loo xam ne jaral nañu ko pour que ñu nangu suñu suuf daañu ko def. ñu mun ñu mun ñu juddoo fii man mi xam ne maa gën a ndaw man am naa cinquante quatre ans fekk fii sama baay xam ne demoon na guerre jënd suufam bàyyam moom ko mu juddoo fii ñu siy bay di si dund di si lekk di si naan ay naar jóge Maroc. ñëw ñëw ne ñoo moom suuf si PICOP PICOP PICOP mun ñu fexe ba nangu lu muy def xanaa mu rey ñu armée nationale bi fa nekk fii ay fan dinañ fa dem xeexal ñoom ñu génne foofu li wax ñun ay néegu doole lañu dañuy béy di lekk di naan fii amul kenn koo xam ne fii am na fi ay milliards am na fi ay millions ñun ay doom béykat lañu su lañu juddul su li ñu nekk tey jii li ñuy wax mooy suñu mairie bii waa Dougar gis ñu seen bopp délibération pour délibération nous allons nous battre avec Pick-up Investissement qui sur le terrain te dit que je dois donner 500 millions pour une indemnisation il va indemniser qui les terres ne lui appartiennent pas on l'a affecté aux Malaisiens il n'a qu'à retourner là où on lui a donné les terres. Dougar n'a jamais été attribué à Pickup. Pickup n'a qu'à quitter Dougar. S'il veut la paix, il n'a qu'à quitter Dougar. L'administration est en faute. Ils ont préféré des privés vraiment véreux et de surcroît des étrangers pour espolier Dougar. Maintenant, on revient avec les militaires un jour, on revient, on voit le lundi, les militaires sont sur place pour un terrassement qu'on n'a même pas compris. les militaires, l'armée, il est là pour la nation, il est là pour la population ou bien il est là pour les privés. C'est ce que j'aimerais vraiment comprendre. Et je m'adresse directement à la hiérarchie de l'armée. Est-ce que l'armée est là pour un privé ou bien il est là pour la population Maintenant, la population est déterminée, est prête à tout pour aller sur le site rencontrer l'armée. S'ils veulent la paix, ils n'ont qu'à quitter Dougar. La superficie exacte que Pickup occupe est de 72 hectares, dont les 30 hectares ont été utilisés pour la construction de la cité des fonctionnaires et de la cité du port. Maintenant, la population n'est pas comme Pickup, ni comme l'administration qui se fait aider par la DESCOS pour venir démolir le même jour des propriétaires de maisons, le même jour, pour prendre le terrain et le donner à d'autres pour qu'ils puissent construire une maison. Et ce qui n'est pas vraiment, ce n'est même pas une éthique ni une morale. Maintenant, le site fait 30 hectares déjà construits et 42 hectares restants. On veut que Pickup quitte les 42 hectares restants. Et les 30 hectares avant qu'il a construit, qu'il donne une compense. Euh, la mairie a une responsabilité, autant que les administrations, autant que les domaines, autant que le cadastre, ils sont tous responsables, autant que la préfecture, sans exception sans exception. Le préfet est complice. Moi, je le dis haut et fort, Il est complice. Ils sont prêts à barrer la route nationale. Ah Ils sont prêts à aller rencontrer les militaires et y laisser leur vie. Ah si réellement l'État est prêt, il n'a qu'à venir à Dougar. Et ce ne sera pas la même chose que Tobin. Ils ne vont pas prendre les gens pour les mettre en prison.